Bonsoir, mesdames, mesdames et messieurs. Bienvenue dans 52 minutes euh, du lundi au vendredi euh, de 18h à 18h52. C'est toujours un grand plaisir euh, de partager ces moments avec vous, très chers téléspectateurs, de près ou de loin. Encore une fois, nous vous remercions de votre fidélité, les Sénégalais de l'extérieur, de la diaspora, que nous suivons en direct sur www.sunutv.com. Mention spéciale, seeni uh, yitte uh, di ñaanal ñi nga xamantene ciabi caabi na leen ginaaw ñu ngi leen di ñaanal une grande liberté ñu génn fa té leneen dootu leen fa dugalaat donc toujours uh, ni lañ ci and ak yéen bés bu jot du lundi au vendredi ñu and ak yéen di leen indil toute l'actualité de la société sénégalaise vous savez l'environnement la culture le sport la santé le social mais aussi les grandes lignes de la politique c'est en direct sur les antennes de la LCS la chaîne sénégalaise le pays de la Teranga le pays indivisible un peuple un but une foi avec son drapeau et l'étoile au milieu euh, kon boog non lañ ci ànd ak 88 628 17 27 plus 2 ngir ma mën wax jox la nga wax delloo ma yëf ya dem ca kaw ca kanam ci lu bax. Ginaaw bamba ji bang la bong la da ngay tok ci bangi ñu lay jox ci bongi. Euh, kon boog tay xam ngeen ne ci sommaire bi dinañ leen indi li nga xamantene mom moy le renommé le grand bassiste Moudi di Ndiaye euh, vous avez été nombreux à nous solliciter à demander à ce que ñu tégat ko tay Moudi di Ndiaye membre fondateur du groupe Missal nga xamantene ne jaar na ci ki nga xamantene moom la ñuy wax euh, Ismaïla Lo jaar na ci Youssou Ndour ndax def na euh, Bercy bi nga xamante ne ñu ngi koy def foofu ca Paris mu jaar tamit ki nga xamante na moom la ñu tuddee seen bopp muy suqali atelier ñoom nag euh, nee nañu Maron Diop et fils ñoom ñoo taxawal lolou nga xamantene mo ngi tuddu suqali buñu ñu fofu non dinañ dem ci li nga xamantene mom mo nek ci walu culture batay ak ki nga xamantene ne euh, bien sûr euh, c'est une reine ci li nga xamantene mom lay def muy walu musique musique mondiale bien sûr muy Adjuza Walk donc Adjuza la galactique amnañu ak mom ay euh, interview bu yaatu mo accueillir ñu bi kërëm ñu waxtaan ak mom waxtaan bu sel waxtaan bu neex bu ñu fa jógee ñun tag tok suñu papa mu di père Ouza di leen nuyu di nuyu ñi nga xamantene jamono ji ñu ngi bayyi xel du côté de Guédiawaye amoo donc tout de suite, c'est parti. 52 minutes avec Moussa à la régie, Québec à la réalisation et mon ami, mon frère Eladjien qui est parmi nous ce soir. Donc tout de suite et maintenant avec Samuel Benyaï dans 52 minutes avec Nicolas Mokhtar. you. Voilà, très bien. Donc, retour sur le plateau après les, euh, la grande démonstration euh, du seigneur du bas Mouy euh, Sambalo mounek Diaye euh, mu il est né eh, à la Padoa Buldeuse donc il a grandi là-bas il a eu son bac après 19 ans bien sûr en baccalauréat donc c'est un génie du bass donc mu nek ko et puis éventuellement du ko mention spéciale à tous les habitants de la Padoa Buldeuse qui nous suivent en direct sur les antennes de la LCS la chaîne sénégalaise votre télé passionnément la nouvelle donne Nicolas Mokta et bien sûr 52 minutes du lundi au vendredi de 18h à 18h52 88 628 euh, 17 27 plus 2 ginnaaw ma wax jox la nga wax delloo ma yëf ya dem nam def nam la def rek a tax ba tax na 52 minutes Nena Len leen dañuy def rek spécial culture euh, fi ak ñuy atum 2013 di ñaan yàlla sunu borom mi mu 2014 ci jàmm ak atum Natangé bu donc dañuy Dadi continue ak ñi nga xamantene euh, depuis le 21 novembre euh, sous l'égide du ministère de la culture la première édition de l'exposition d'œuvres d'art euh, mu nek au troupe des ateliers Marron et Fils donc pour li nga objectif bi la renaissance et la rentabilité du label de la troupe de Djourbel. donc pour une visibilité améliorée nous allons découvrir cet exprès, c'était au Kinfat place Palace route des Almadies bien sûr, avec des génies de l'art, bien sûr. Donc, c'est tout de suite et maintenant avec Moussa à la régie et Kébé à la réalisation. Tout de suite et maintenant dans 52 minutes. c'est doté d'un programme économique qui, s'appelle Stratégie de croissance accélérée, qui, euh, qui a adopté une approche grappe. Donc euh, il y a des grappes qui sont constituées et qui sont, si vous voulez, le moteur de la compétitivité des secteurs sous grappe. Euh, un secteur est sous grappe quand le Sénégal a identifié ce secteur comme porteur. Porteur de quoi Porteur de création de richesses, d'emplois, de création d'emplois et de revenus. D'une part, cette création de richesses et de revenus permet de booster l'économie sénégalaise et hisser le pays vers l'émergence économique et sociale. De notre côté, il permet aussi, permet aussi de lutter contre la pauvreté ambiante. Il faut jouer sous les deux tableaux. Alors, la grappe que je coordonne, c'est une grappe qui, qui articule le tourisme, qui est tête de grappe, parce que les études ont montré que le tourisme avait des effets d'entraînement plus forts sur les autres secteurs. Ensuite, les industries culturelles et l'artisanat. Euh, pourquoi on est entré dans ce dispositif d'encadrement Parce que simplement, nous adoptons une démarche qui s'appelle euh, croisée, qui s'appelle le bottom-up et le euh, up down ça veut dire que nous, nous, nous, sommes une stratégie. Si on est stratégie, on reste un peu au niveau du ciel. Et donc la stratégie est, élaborée et descend vers les acteurs. Il faut aussi partir des acteurs vers le haut. Mon Cheikh Diop quand j'ai commencé à travailler, li ko ci dugal moom marchand le marchand le di il voit di jaay bant di qui est

bu Cheikh Diop liggéey de te man maa ko liggéey maak samay frère ñun leen daal liggéey ak aar bi bokkul kooku aar bu njëkk ba la ndax cosaan leen daan liggéey te aar bi léegi dafa soppeeku leneen la liggéey presque aar moderne la ndax da ngay liggéey bu dee benn façon dangay liggéey jëmmi nit ba mu yegg moom ngay liggéey moo tax ñu ni suqali dafa soppeeku aar bi dafa soppeeku léegi boo ko teg aar bu njëkk ba ndax léegi c'est bien fini dañ koy poncer bu baax def ko lépp patin patin bu baax ba boo gisee boo xoolee pièce yi da nga naan pièce bi day dund kon mu loolu moo indi soppeeku gi ñi liggéey tey mooy xale yi di liggéey tey boo ko teg man ni ma daan liggéey ak keneen ak keneen

Voilà, très bien. Donc, euh, comme vous l'avez vu, hein, c'était la première édition de l'exposition d'œuvres d'art en bronze euh, des ateliers Maron et Fils. Euh, l'objectif, c'était la reconnaissance et la rentabilité euh, du label euh, bronze de Djourbel, euh, donc pour une visibilité améliorée, tout à fait. Et donc, nous leur félicitons encore une fois de tous ces efforts qu'ils apportent à l'art du bronze. Donc, toujours, nous allons continuer en beauté sur les antennes de la LCS, la chaîne sénégalaise. Et comme vous le savez, 88 628 1727 plus 2 pour que vous puissiez participer à cette émission. donner vos impressions vis-à-vis de l'environnement, de la culture, du sport, mais aussi de la santé et du social. Donc, ni nii koy defee saa su ne du lundi au vendredi de 18h à 18 koo xamul noo koy def nam la def rek a kon boog ñuy def mention spéciale ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi bàyyi xel foofu ca bitim réew ci www.sunutv.com ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ne dawul dafa wuti gi doole ah, donc dañuy daal di def rek une page publicité et retour sur le plateau de minutes transformer votre bureau en un lieu moins triste ou encore votre salon ou jardin en un véritable lieu de relaxation Oui Bien, Touba Océan Décor vous propose des aquariums composés de toutes les variétés de poissons. Elle dispose aussi de matériel d'aquariophilie de l'eau de cascade. Nous possédons également différentes variétés d'oiseaux, de tortues et beaucoup d'autres animaux domestiques. Touba Océan Décor s'occupe même de l'entretien de vos aquariums à travers une équipe dynamique qui sera mise à votre disposition. Nous ne nous arrêtons pas là car des matériels et cannes de pêche de toute variété, des moulinets et appâts existent chez nous. Touba Océan Décor évolue dans le domaine de l'aquariophilie, de l'embellissement public, de la décoration d'intérieur, des fontaines, des jets d'eau cascade, d'aquariums importés un seul lieu pour la découverte de cette magie naturelle. VDN Cité Comico 3 Dakar, immeuble Aressa en face de hypermarché exclusive, ou nous contacter au 77 657 49 81 ou au 77 656 16 80. Vous pouvez également visiter notre adresse mail toubaocéandécor.fr ou au site web www.toubaocéandécor.com. Trouvez-nous aussi au canal 4 Face, Dakar avenue Cheikh Diop, au téléphone 33 821 26 56 ou au 77 513 14 93. Avec Touba Océan Décor, plongez dans l'univers du décor. très bien. Donc, euh, merci euh, au service commercial que vous pouvez toujours joindre sur le 77 556 0013. Donc, euh, vous les fournisseurs, vous qui voulez faire, bien sûr, des publics reportages, faire des bandes annonces, et bien sûr, ou bien vos euh, couvertures médiatiques. N'hésitez surtout pas, venez sur la VDN, euh, LCS, la chaîne sénégalaise vous ouvre ses portes. Et bien sûr, euh, pour vous rappeler le numéro, le 77 556 0013 pour tout ce qui est commercial, venez sur la LCS, la chaîne sénégalaise, votre télé passionnément. Donc c'est la nouvelle donne, l'émission prend son petit bonhomme de chemin depuis la VDN. Donc Denis daal du continuer rek def li nga 52 minutes Guinan, New jox culture culture ndax nee naa dañuy 2013 euh, en toute beauté avec la culture la culture aujourd'hui on a eu à aborder avec le grand bassiste le génie euh, Moudi di Benyai, qui est présentement à Paris en France bien sûr qui est membre fondateur euh, du groupe Missal donc nous dem ci après nous ci ki nga première édition bi nga exposition d'art et d'œuvres en bronze Nous amoon foofu ca de la Palace donc nous nekkoon fa jël fa ay impression rafetlu Maroon et Fils donc bi ñuy jógee foofu dañuy daal di ànd ak ñi nga xamante ne moom la wax euh, la galactique la galactique c'est Adji Ouza Diallo moom mi nga xamante ne ndaanaan ku li fadrin la muy def euh, buñ ko doon lim duñ fi jógee ba tax na euh, dañ koy defal spéciale moom ak staff bi nga xamante ne guddeeg bëccëg mu ngi ciy ñoom ku ci mel ni ñoom Madike Gueye donc ak ki nga xamante ne mooy Alioune Badara Niang di leen defal spéciale léegi nag même bien sûr mu def li nga xamante ne moom mooy liggéey bu tu ci le album ci vidéo donc tout de suite et maintenant nous allons découvrir cet extrait de Adjouza, bien sûr chez elle à mokat géejawaay di de nous koo l'équipe quoi jamono ji mu ngi du côté de la banlieue Nous ngi leen di mention spéciale di leen gërëm di 88 628 1727 plus 2 à la régie avec Moussa Koulibaly tout de suite et maintenant avec Adjouza. C'est dans un cadre très chaleureux et convivial que Adiouza nous a accueillis chez elle, au Hamon 4. Style décontracté à l'africaine, elle était ravie de parler musique, société, culture, politique, environnement. Mais ce qui nous intéressait le plus, c'était la personne Adiouza, son parcours, sa vie en général. Et nos attentes ont été encouragées par son aisance et le naturel dont elle s'y est prise pour nous compter, nous résumer le chemin qu'elle a choisi les tumultes et les satisfactions qu'elle a vécues en tant qu'artiste mais surtout en tant que femme et chef d'orchestre. Adi Adi Ouza tur la boo xam ne koy créer vers c'était vers les années 2000 2002 après mon bac ci a doon dogo commencé de variété variété sax la commencé bac L1 littérature L littérature donc tu as commencé la musique dans jouer ay Just for You Novotel Méridien Auberge Marie-Lucienne donc tu as commencé à di la musique variété avec jazz avec mon frère cher, mi nekk à Paris donc temps il à commencé de la euh, musique C'est bokk formé na ma trop ci carrière après la parade, dem continué études en France vers les années 2004 J'ai mhm. fait un master en ethnomusicologie ethnomusicologie c'est toujours dans le cadre de la musique vous savez mhm. c'est ethnomusicologie c'est étude de musique de tradition orale mhm. donc j'ai choisi depuis ma année de master ma arrêté de di musique bi un peu musique traditionnelle du monde world music donc euh, voilà musique indo musique euh, japonaise c'est une musique traditionnelle musique africaine surtout parce que man master maa musique basare ak euh, musique lambe. tout si qui est ci làmb ci master en ethnomusicologie vers les années 2009 bi ma premier album actuellement j'ai fini ma deuxième album Il y a beaucoup de tournées yu en vue ci sama une première partie de la tournée mois de ah, mois de novembre octobre la defoon tournée européenne bi en Espagne Paris et Italie la ñu ngi dem ci benen phase tournée bi xamné c'est après le mois de décembre ñu ngi dem dem janvier inshallah États-Unis tournée américaine. tu sais que c'est une question très pertinente que me me pose, parce que c'est une question qu'on ne nous pose pas souvent mais en tant que chanteuse boo xam ne chef d'orchestre xam nga c'est pas doo ko gis en général lu beuri. mën naa la compter quelques chanteuses yi nga xamné dañuy dañuy nekk chef d'orchestre en même temps parce que amna une vision bu claire ci musique bi ñu bëgg def ci musique bi leen di wëylo. donc duñ leen imposer li ñu war def xam nga man tay may produire sama bop. Awma label donc ak sama frère nak je collabore toujours ak sama frère sama partenaire bo xamné dama koy wax ni la bëgg def li la sentir def donc da ngay travailler en fonction de man li ma sentir parce que dañ naan musique bii dugg ci xol c'est mooy yow bi nga sentir. c'est pas facile nag léeg-léeg man comme jàng musique xam naa m'a harmonie xam naa gamme xam naa sama solfège xam naa temps éternel, euh, binaire xam naa yooyu yëpp donc su may musique xam naa bu baax li ma bëgg. li ma bëgg ci musique xam naa su ma su may woy en pentatonique par exemple mën naa ne guitare dafa ma airu pentatonique airu malien. Euh, defal ma dorien euro kii Guinée ak mm. yooyu donc xam naa bu baax fu ma jëm léeg-léeg góor ñi dañ koy du ñu nangu jigéen di leen di leen def ay remarque te man xam naa bu baax fi ma bëgg a jëm te tamit damay damay dégg dama travailler sama oreille de telle sorte que oreille musicale damay dégg man pour ma woy normalement foog musique bi may dégg agréable à l'oreille bu agréable rek mën naa jum mm. par exemple musicien bi bu ma defal lu ma tàmm dégg man ci sama bopp man na djum man ma dul nek à l'aise voilà man ma dul nek à l'aise ci intonation motax nak je répète beaucoup avec mes musiciens suma musiciens tamit mën nañ ma conditionner en contrepartie donc musiciens yi répété bu ñu ñëwee tey mën na nañu jouer ñom bu len nexé ñu conditionner man néma mm. voilà mun ñu jouer la nga yokkal je suis obligé parce que ñom ñoo répété mm. li ma bëgg dégg <laughs> ñom ñoko répété donc je peux nul ne peut improviser ak man par exemple booy joué ak man mënoo ñëwee jóge fële rek ne da ngay improviser ñëw jouer c'est presque impossible euh, Instrument, yi en général euh, par concept là que je, am soirée yoo xam je débute carrément avec ma guitare ak un guitariste que je xam dama bëgg mu accompagner parce que dama ko sentir ku mel ni ñoom Jano ñoom Baye ñu ñëw accompagner coloré coloré surtout am na guitariste yu coloré mm genre euh, Lamine Faye faut coloré donc en acoustique am guitariste bien au Sénégal donc si je di leg, c'est samay premier part soirée guitare laay jël teg ben guitariste mu ñëw colorel ma ñu jouer jouer après nous def euh, euh, li nous def comme d'habitude mais am une yeneen soirée yoo xam nak, attaquer direct avec le mbalax quoi ça dépend de la soirée à ak concept bi ñan joué, le public bi en face. le public bi dit, j'analyse aussi le public. Les gens, mën nga mën je commence avec l'acoustique, mais le public bi fa favorable à l'acoustique. donc nga def sa acoustique duñ la qui léeg tam ma le public il est il veut danser donc tu n'as pas le choix donc on met ça de côté on fait danser les gens donc il faut vraiment analyser le public qui est en face parce que parce que faut noter que le public d'Aquaroa est très exigeant. Ouh, m'a malheur. c'est venu de moi aussi hein parce que tant je suis ngi au Brésil dama au Brésil la samba une musique pour amener ça m'a vraiment marqué ak percussion yu samba dafa perc perc mm. percussion yu mon rythme hyper rythmé, ça m'a rappelé un peu les rythmes rythme africain donc lolo gën tax ma que samba et la pour voir qu'est-ce que ça va donner ñu bëri dañu de ne nag sàmba dama ne Samba, le nom Samba, mm. Samba ak Malak. Mm. mais Samba, style musical mm. samba style musical la boo xam ne Brésil yi la la samba ma jël ko mélangé ko Malak, ça donné samba Malak. expérience la expérience, boo xam ne nag sama woy bu déjà c'est une chanson que j'aime bien expérience la boo xam ne aussi ça m'a vraiment ouvert d'autres portes oui, j'évolue beaucoup dans le social. Hein. Tu parles du social, social. J'évolue beaucoup dans le social, j'aide les gens. Donc, d'ailleurs, ça, c'est mon boutique, nous avons euh, bagages, nous avons distribué, nous huile, riz, sucre, lait. Chaque mois, je distribue ça euh, à des personnes démunies, nous avons sélectionné. Puis 2000, ça fait, bi mon deuxième année, nous mais deuxième année, nous avons fait des projets les femmes sont venues nous proposer quelques projets Nous xam financé ni dañuy et financer de 50 mètres à 200 mètres. Mm-hmm. donc euh, actuellement nous sommes en phase boobu. Mm-hmm. donc 2014 début 2014. nous mm-hmm. nañ def un bilan pour femmes les femmes est-ce qu'elles arrivent toujours à s'en sortir. parce que nous avons fait un bilan en 2013 dañu gisoon que jox nit ki ont ak diwlin sucre taxul mu génn ci seuil de la pauvreté parce que dañuy dépendant ci ñun dañu chaque fois dañuy ñëw di dépendant lég lég ay moyens da fay metti mm. duñu duñu mëna xaar moyens dañuy dépendant trop ci ñun donc man sama objectif ak waa Caritas yi nga xam ñom ñoom ñoo financer le projet mm. je précise bien donc suñu objectif mo doon ñu financer len pour ñu jéem autonome donc 2014 début 2014 Inch'Allah, incha dinañ le bilan Nous fu tout le bilan, mais fu mu financé les familles les familles qui ci ils arrivaient pas à s'en sortir financé nañ c'est ça la question est-ce que la communication est na mais je ne sais pas en tout cas dans defuma ci communication boo la communication, tout le monde euh, est au courant. Euh, parce qu'à chaque euh, début d'année dañuy fait un bilan boo xam ne dinañ évaluer ligne, ñu li donc forcément en janvier début tout le mois de janvier nous def un bilan pour xam fan lañ chaque mois de janvier donc de dañuy def bilan pour xam lan la nous a def année donc comme ça toute l'année dañuy continuer une distribution avec action sociale ah, yi may def ak sama partenaire waa Caritas léeg-léeg ñu woo ma ci mënd ma voilà donc je ngi leen beaucoup. C'est ngi ci évoluer bu philosophie je fi ma toll ni ren déwén war fa dépasser Et je me donne les moyens je bosse beaucoup donc bala ngeen ni ñew ni sax fekk ngeen ma liggéey sama liggéey à la guitare au piano yek ci kaw amna salle spéciale pour musique fi may jobé di composer donc comme tu le dis oui parce que depuis Madou Sar man la commencé won di def ay chorégraphie même sur scène surtout spectacle j'adore spectacle def ay chorégraphie ay concert exigeante surtout envers moi-même l'humain des def rek man l'humain def il faut que j'aille plus loin loolu loolu c'est sama défaut en quelque sorte non non album on, va le consommer au Sénégal on prend notre temps au Sénégal c'est deux projets différents parce que l'album sénégalais il y aura d'autres clips par exemple mois de janvier après décembre il y a un autre clip ci album bi il y aura aussi d'autres clips album B mais ça c'est un autre projet boo xam ci la commencé à bu yàgg mais j'arrive toujours pas à le terminer. janvier nak wa États-Unis nañ pare Adiouza ngi ñëw dal sen kaw. Mon amour, pardonne-moi, je saurais te prouver tout l'amour que j'ai pour toi. alaikum wa Sénégal man le Jules Diop de génération concernant Pape Diouf. maa ngi ci 52 minutes ak Nicolas Mokhtar fii ci LCS. man la Saloum Saloum maa ngi ci 52 minutes ak Nicolas Mokhtar ci LCS. Euh, voilà, très bien. Donc, merci encore une fois. Nous sommes toujours en collaboration avec le leader, euh, le sponsor leader euh, Miso, avec ses fruits, ses cocktails, bien sûr, ses différents parfums. N'hésitez surtout pas à consommer Miso, 88 628 17 27 plus 2. tout à l'heure, vous avez vu l'élément avec Adi Ouza Diallo du côté de Amokat Guédiouaï, que nous avons fait mention spéciale. Mon amour ne t'oubliera jamais du tout jamais, jamais, jamais au plus grand, jamais. <laughs> na bu mun gis ngay këpp rek ñu seen bureau bàyyi ku nekk yaa ngi ci lu la neex booy loo may xoolee këppal danaa la wax leen booy man koñ nga dëkk rue 23 bële 3 bële boo demee 3 ak 4 ak 8 ñëpp nang leen woo ñu ñëw këpp wow, na waaw naxuma la waa 19 woo leen denga, nga jaajëf waay boy, waa 19 ak waa 20 ak waa 30 ne leen ñu ñëw këpp tey amul benn problème tey ngeen ni këpp ba gis kuy këpp ah, ok boy, pour no fayoon nga defe ne tey jii dinañ fi nekk ba heure bi nit ñaa ngi toog seen bureau ñuy toog seen biir kër xam nga ne lii ñuy liggéey nii ñoon ñu nekk ko mën a liggéey ndax ñun dong attam xet gi xet gi ci génn wopp bi muy indi feebar bi muy indi kenn xalaatu ko waaye déedéet boole ci téye sunu salaire bañ ñoo fay faw ni ñu wax ci ay eh, saa yow foofu teel jóg di musuma daw sama moromu mu bi waye yow mi di mbalit mi xaw nga ma yob ana lu la joglo yow mi yow ma jógloo waaw ndax wax ci nga wax ndax yow mi di yow mi yaay ki may teral yow mi di liggéey ci mbalit mi yow yaay ki may sagal waye nak, yalla ci boppam mo yor pay di leen di fay buma sañon gouvernement bi jox len sen waref ñi am ci kër yi yéen gënuñu len waaw waaw ñi am ci jigéen ñu bax ñi gënuñu len waaw waaw. ana mu tay kon tekkil ma sa monsieur gi dindi lepp lu xonk te xam bis ni ki tay sama message bi maa koy wax ak gouvernement bi dindil ma lii. gëna ko dindi defal dak dak dindi lepp lu xonk. yang may duggal ci lu ma xamul. lii la bëgg sen mer dina jeex. ndax dana jeex. day jeex. ah ya ko wax de dana sonu njabot jang école. luwaas. sonu lol nañu waxtan ak wa senegal wax la nak noonu. yeen wa senegal mieux vaut prévenir que guérir. fagaru mo gën faju. en sama waay. ya ko wax de te muy de gouvernement bi laay waxal ndéem yéen a ngi góorgóorlu ndéem yéen a ngi góor góorlu te gis nañu ko waaye mbalit mi sutur laa leen niñ ci ñii di ci liggéey amuñu lu dul moom ndax ñëpp mënuñoo nekk ci bureau yi ñii ci bureau yi ñii ci tool yi ñii ci mécanique bi waaye ñii ci mbalit mi war nan noo fonk dinañ leen fonk bu soobee yàlla war nan noo fonk dinañ leen fonk yàlla Euh, voilà, très bien, chers téléspectateurs, merci encore de votre fidélité. Euh, nous nous excusons par rapport à ce petit désagrément, hein, histoire de côté technique. Mais néanmoins, euh, voilà, c'était ça, 52 minutes du vendredi 27 décembre 2013, ici même à Dakar, sur la VDN. Donc, on avait l'immense plaisir de vous présenter cette émission, 52 minutes avec des rubriques de la culture, bien sûr, et pour finir, avec le fou rire du grand pro hein, du côté de Grand Dakar et sans oublier euh, Papa Kara, le grand caméraman. Mention spéciale à Fatima Si, la grande maquilleuse. Remerciements euh, remerciement à la réalisation Kébé, Amadou Kébé et l'homme Moussa. Donc, euh, ça a été un grand plaisir, mesdames, et messieurs, très chers téléspectateurs, de, présenter, de, de, partager ces moments avec vous, d'être avec vous durant tous ces moments, 52 minutes. Et nous vous souhaitons de passer un bon début de soirée. Et pour ceux qui viennent de descendre, nous leur souhaitons de rentrer bien chez eux et de trouver toute la famille en très bonne santé. Restez toujours sur les programmes de la LCS. Euh, Objectif Santé viendra euh, une nouvelle émission. Mise à jour viendra aussi une nouvelle émission. C'est ça la nouvelle donne. C'est la LCS, c'est la télé des jeunes. Ah, donc merci et toutes et à tous. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de la LCS, la chaîne sénégalaise. Merci et au revoir à la semaine prochaine.